l'administrateur de l'Alliance pour la République à Yamar et le premier vice-président du Conseil. Dans le département de Pékin, alors qu'est-ce que vous attendez des Pékinois euh, le jour du 24 février Bon, d'abord, euh, je commencerai par remercier toute la population piquinoise qui a encore une fois montré une valeur cardinale qui est la reconnaissance. Ils ont montré qu'ils sont sensibles à l'attachement qui est celui du président de la République au développement de notre cher département. Et ils se sont mobilisés comme cela n'a jamais eu lieu dans l'histoire politique du département. Maintenant, ce que nous attendons de la population de Pékin, que cette mobilisation-là se transforme en une performance euh, électorale sans précédent. Et pour cela, il faudrait que cette mobilisation se poursuive. Il faudrait que les responsables travaillent en synergie, en symbiose, en fraternité et en solidarité agissante. Et je suis sûr que dans ces conditions-là, au soir du 24 février, Pékin sera parmi les premiers départements qui auront facilité la réélection du président Macky Sall dès le premier tour. Euh, askanu Pikine Tay, wane nañu li nga xam ni dañ ko bëgg ñun ci suñu as ci suñu as suñu cosaan mooy maanaam euh, am jom am wane nañ ni ni bokkul ak koo doon lëre wane nañ ni que ni ko lëre dëgg seen diggante ak président de la république xamal nañ ko ni cofeel bi nga xam ni moom la am ci population Pikine ba def fi lim fi def jarul ma koy wax xam ngeen ko fii ñu taxaw nii tey man ba may football nawetaan fii ñu taxaw nii lépp suuf la woon doo doo doo woon mën a def geste bu baax gis ngeen tribune bi gis ngeen jumaa ji nekk ci ginnaaw gis ngeen ni que ni bu école di mësaan di tijji gone yi duñu mën a jàng ndax euh, njaboot ñi nga xam ni dañoo nekkoon ci mbënd mi ñoo doon nekk ci salle de classe yi toog fa ay diir te gis ngeen ni que ni ñett ñeenti at yi ñu weesu